forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalangu. le forum du studio Kalangu. le forum du studio Kalangu. le forum du studio Kalangu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro, Hamadou Moumouni. Merci de nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Merci de nous suivre surtout à Agadez où nous délocalisons pour la première fois ce forum, une façon d'être plus proche de celles et ceux qui nous écoutent une façon plus vivante de parler de leurs préoccupations du moment. Le forum du studio Kalangou, délocalisé à Agadez, c'est une série de quatre numéros exclusivement consacrés à la région. Ce quatrième numéro, le dernier de la série, est consacré à la ville d'Agadez, ou si vous voulez, la vieille ville d'Agadez. Pourquoi en parler Parce qu'elle a été retenue en juin 2013 comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Elle entre ainsi dans le club très prestigieux des sites et monuments historique du patrimoine culturel mondial. La singularité de cette ville, c'est son architecture du Moyen Âge qui fait son attrait touristique. Exemple, la célèbre mosquée Amiskini de 27 mètres de hauteur et vieille de 6 siècles. Agadez est aussi située aux portes du désert. Agadez est aussi ses nombreuses places réservées soit aux fêtes, soit aux lieux de repos pour personnes âgées, soit aux jeux pour enfants, soit aux cimetières. Nous allons nous en tenir à cette petite description puisque nous sommes en présence des personnes bien indiquées pour en parler. Elles vont nous décrire davantage ces lieux, raconter ce qui a émerveillé l'UNESCO pour arriver à ce classement remarquable. Nous en saurons aussi davantage sur la gestion et la conservation de ce site. La ville d'Agadez, patrimoine mondial, pour mieux en savoir, nos invités, c'est entre autres Ali Salifou, gestionnaire de la vieille ville pour le compte de la direction du patrimoine culturel et des musées. Bonsoir Monsieur Salifou. Bonsoir. Le deuxième vice-maire de la ville d'Agadez, la vieille ville, Ahmed Koussa le représentant du sultanat de l'Aïr, Elhaj Bilal Garou, et enfin le secrétaire général du club UNESCO Agadez, M. Samuel Haruna Chers invités, pour commencer, pour entrer dans la matière, je parlais tout à l'heure de vieille ville. Nous allons commencer par définir la notion de vieille ville et je commence par donner la parole à M. Ali Salif. Pourquoi vieille ville C'est parce que le noyau historique même qui est composé de 11 quartiers, donc ce sont les premiers quartiers là qui sont appelés vieille ville donc par rapport à leur particularité architecturale, par rapport à la disposition même urbanistique, donc la trame urbanistique, parce que c'est une ville quand vous regardez le noyau historique et vous regardez les, les, quartiers nouveaux, vous allez apercevoir tout, tout, de suite une certaine différence. Donc c'est une vieille ville donc, qui est, euh, dont la particularité aussi porte sur les réels chinoises. Donc euh, la façon dont les maisons sont construites, parce que la grande majorité, à plus de 98% des maisons, sont construites en terre crue. Et nous avons également un certain nombre de particularités qui portent sur l'ensemble des écoles coraniques qui se trouvent dans cette vieille ville-là. Il y a également un certain nombre de mosquées, dont la grande mosquée Emeskini, qui, dont le numéraire fait au moins 27 mètres de hauteur, qui est l'un des plus hauts au monde, entièrement fait en terre crue. La grande mosquée La grande mosquée, surtout les minarets. Parce que la mosquée existait, mais c'est surtout les minarets qui, les minarets qui fait 27 mètres de haut. Et selon l'étude comparative qui a été menée par des experts, c'est l'un des minarets les plus hauts au monde qui est donc entièrement construit en terre crue et surtout la présence du sultanat et également un certain nombre de fonctions qui sont assurées par les différents notables qui sont autour du sultan donc pour pouvoir faire fonctionner cette vieille ville-là. Puisque vous parlez du sultanat, nous allons donner la parole au représentant du sultanat, Alej Bilal Garou. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter eh à la, ma grande la définition, de la vieille euh, ville d'Agadez Satisfaction d'abord de la population et de la région d'Agadez. La vieille ville, on appelle Agadez Kalintegadez c'est-à-dire un lieu à visiter. La richesse de cette région avec les descendants qui ont passé ont structuré quelque chose de très très garanti, c'est-à-dire en culture et en artisanat. Et que jusqu'à preuve du contraire où je vous parle, leurs traces existent et ils vont toujours exister. Euh, Monsieur Salifou, en définissant, a parlé de quartier, a parlé de mosquée, a parlé de bien d'autres choses. donne moi quelques exemples illustratifs. Ici, Agadez était depuis lors des vieux marabouts qui ont étudié, qui sont instruits et qui ont préfabriqué et qui ont composé notre, héritage jusqu'à présent. Qui est toujours préservé. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous héritons, nous, nous sommes là. Monsieur le maire Pour moi, la vieille ville d'Agadez, euh, c'est plein de choses. Quand on regarde euh, au niveau de ces sites reconnus, on a le palais du sultan, après, on a la mosquée, on a la maison du Cadi, on a les ruelles, on a des, maisons à forme spéciale en banco, uniquement typique agadésien, comme on l'a dit. Il y a, euh, quand vous prenez par exemple, il y a le pilier, on a des places aussi au niveau de ce, de ce patrimoine-là. Euh, on a la mosquée à Baogé qui est toute une euh, fierté pour nous parce qu'il s'agit mosquée qui a toute une histoire. Donc nous allons un peu y revenir. On a notre artisanat. Il y a tellement de choses, il y a tellement de richesses culturelles dans cette ville-là et c'est ce qui a fait sa reconnaissance au niveau du patrimoine mondial. La parole à Aruna Soumela, secrétaire général du club UNESCO. Vous êtes enseignant de carrière. Si aujourd'hui vous êtes dans une classe, un élève vous demande, monsieur, c'est quoi la vieille ville d'Agadez Quelle définition vous allez lui donner Vraiment, cette vieille ville-là, tu vois, c'est l'architecture qui, qui, frappe. Parce que dès que vous rentrez, c'est très joli à regarder. Vraiment, parce que même moi, la première fois que j'étais venu à Agadez, je rentre, je me dis, deux fois, mais je me dis, mais ces gens comment ils ont pu imaginer pour créer ces architectures-là Vraiment, c'est, et puis c'est la notion des anciens quartiers. C'est, ça constitue vraiment les anciens quartiers, le noyau même de, la ville d'Agadez. Monsieur le maire Toujours par rapport à ces, élèves-là, il n'y avait pas longtemps, une fête a été organisée avec une association qu'on appelait, euh, euh, comment s'appelle-t-il, Gargadi Matassa, et, euh, qui est parrainée d'ailleurs par le maire, la mairie d'Agadez. Le maire euh, a dit dans son discours qu'il y aura une surprise. Et la surprise, c'était quoi Il a demandé à la fin aux jeunes lauréats est-ce que vous connaissez la vieille ville d'Agadez Ils disent qu'ils ne connaissent pas la vieille ville d'Agadez. Donc, vous voyez, il leur a fait une surprise et il a demandé à ceux qu'on leur fasse visiter cette vieille ville et d'autres euh, contrées du Niger euh, de la région, pardon. Donc, euh, euh, c'est dire que la vieille ville d'Agadez n'est pas connue de tous qui, sont, de la région. Elle, n'est même pas connue de certains qui visitent la ville ou qui sont venus pour un quelconque travail dans la ville. C'est tout un processus qui a abouti au choix de, de la vieille ville comme patrimoine de l'UNESCO. Et finalement, vous avez eu le résultat. D'abord, quelle est la démarche de façon très ramassée Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à ce résultat-là bon, de façon très ramassée, le, Salifou. le processus a duré 10 années. 10 années. donc ça remonte à l'année, aux, années 2000, quand un certain nombre de sites ont été identifiés, notamment la ville d'Agadez, le quartier bruni des Anders, et la résidence du, gouverneur du Niamey, dans laquelle se trouve actuellement le gouvernorat du Niamey qui a été complètement donc, euh, mhm. Donc, c'est les trois éléments qui ont été identifiés. Maintenant, toujours, par l'UNESCO Non, pas par l'UNESCO. Par qui Par nous-mêmes d'abord, par, par, le Niger d'abord. Le ministère, Et après, il y a eu un expert qui était venu, un expert donc de, de, ce domaine, quand lui il est venu, il a comparé l'ensemble de ces trois sites-là, et il a constaté que la vieille ville d'Agadez est beaucoup plus disposée à être présentée pour être donc euh, au patrimoine mondial. Mhm. Et c'est ainsi qu'en 2002, l'ambassade de France a eu donc à faire une certaine réhabilitation au niveau du sultanat et de la grande mosquée. Donc c'est parti de là. Donc à partir de des travaux de cet expert-là, un certain nombre de, de une documentation a été mise en place. Et en 2005-2006, on a soumis cette documentation-là au niveau de l'UNESCO pour observation. Et nous ont fait un certain nombre d'observations pour nous dire que non, non, le, dossier n'est pas complet. Et nous l'ont ramené. Mais c'est surtout en, 2010, avec les autorités donc, de la transition, que le dossier a été relancé. Et donc, entre 2010 et 2012, le dossier a été travaillé avec la population, la communauté, surtout le sultan, le défunt sultan, son c'est surtout lui qui s'est donné volontairement avec sa population pour que la ville d'Agadez soit inscrite au patrimoine mondial. Parce que lui, il a même écrit une autorisation pour dire que voilà, lui, en tant que sultan d'Agadez, il donne l'autorisation à l'État du Niger pour porter le dossier de candidature de la ville d'Agadez au niveau de, de l'UNESCO pour que ça soit inscrit. Le 31 janvier 2012, on est parti donc à, à l'UNESCO, par le biais de notre délégation nationale qui se trouve à l'UNESCO, on a déposé le dossier. après le dépôt, il y a eu des missions qui sont venues pour constater est-ce que ce que nous avons mis dans ce dossier-là, c'est la réalité sur le terrain. Donc des experts sont venus, ils ont donc euh, confirmé ce que nous avons mis dans le dossier et c'est ainsi en 2013 euh, au Royaume de Cambodge à Phnom Penh lors de la 37e session du comité du patrimoine de l'UNESCO, les 21 pays membres du comité du patrimoine ont à l'unanimité donc accepté l'inscription de la vieille ville d'Agadez sur, sur, le registre du patrimoine mondial. Une, grande victoire. Oui, c'était une grande victoire. Bilal Garou qui était certainement avec vous puisqu'il représente le sultanat. Vous étiez vraiment un des acteurs très engagés dans le dossier. Comment le sultanat s'est impliqué la première partie qu'on avait commencé avec les experts, il y a eu même euh, au moment où je viens de vous dire que l'ambassadeur de France était venu ici avec les historiens, tout ça, là, les Aboubakar, Adamou et tout ça. Alors on en a parlé au palais et le sultan a accepté. le, voilà, qui, était très engagé. qui est engagé et nous a dit de donner notre effort là-dessus. Avec l'archéologue là, nous étions partis dans la mosquée au niveau du minerai. Il a même suggéré que le minerai, d'après son point de vue, s'est penché. J'ai dit non. Plus de 500 ans, 600, 700 ans. Ça, vous le dites face à l'expert. J'ai dit, j'ai dit à l'expert. Pendant 6 ans, 600 ans, 700 ans, j'ai dit, si il y a une partie de ce minéraux qui se penche ou qui croule, c'est parce que traditionnellement on s'occupait de ça. Et nous n'avons pas besoin que maintenant nous n'accepterons pas à ce qu'un expert vienne nous toucher le minerai. Vous avez refusé. On a refusé, on était obligé de revenir maintenant au niveau de de, du plafond là pour essayer de mettre quelques sauts de banco et tout ça. Mais l'expert, après son retour, nous nous sommes réunis pour dire qu'il faut reprendre le crépissage de, de ces minéraux. Mais quand il est venu maintenant, il s'est étonné soi-disant, alors moi je me suis trompé, j'ai mal vu parce que j'ai pas bien vérifié. Le minerai ne se penche jamais. Et c'est un héritage que nous ne laissons à personne. C'est notre identification. Dieu l'a disposé comme ça avec les, les, les qui sont partis. Donc pour nous, c'est un miroir. Tout ce qu'ils ont demandé à retaper, nous avons refusé. Il faut que ça soit retapé traditionnellement parce qu'on avait des héritiers, des maçons qui ont, des grands-parents qui ont construit la base même de la mosquée. Et ce sont eux qui étaient en train d'entreprendre toujours quand il y a un problème d'aller réparer. ils sont, ce sont eux qui réparent parce qu'ils sont connus là-dessus. Vous vous êtes affirmé devant l'expert pour, ce qui concerne la mosquée, pour ce qui concerne le minaret. Est-ce qu'il y a d'autres sites, euh, sites touristiques qui ont été choisis et euh, autour desquels vous avez discuté Oui, vous savez, après, on avait parlé de, de, salon là où, euh, on fait la prière aussi avons été avec lui. il y avait C'est toujours dans la mosquée. Dans la mosquée, et il y avait des, des bois de base qu'ils ont mis pour des réserves. Par exemple, s'il y a des trucs ou des Corans à mettre et tout ça, et il a dit que ça là, il y a là où on a mis du ciment nous pour la base, pour poser les, les effets. Quand il est venu l'architecte nous a dit en principe, vous ne devez pas mettre du ciment ici on sent que le sultanat s'est engagé. <laughs> le, avec lui. la, mairie, euh, qu'est-ce que la mairie a fait dans le dossier dans le processus, dans la démarche la, mairie Est, la mairie est partie prenante du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fin Je vous rappelle que le sultan actuel, le maire et toute la délégation ministérielle étaient à Cambodge pour euh, la reconnaissance de ce dossier. Donc la mairie est là-dedans. Entre autres, la mairie a eu à la fin, quand on a été reconnu, euh, euh, organisé avec l'appui du ministère et l'appui de toute la population de la commune urbaine d'Agadez, dont je remercie beaucoup, organisé une grande fête, une énorme fête pour dire que nous nous sommes investis aujourd'hui. Voici le résultat. Dans la démarche, euh, Soumer, vous avez quelque chose à dire Bon, parce que nous, le club UNESCO, voilà, était né après ça. Donc maintenant, c'est maintenant que le club UNESCO. Est voilà, on verra de comment vous travaillez avec euh, les autres acteurs pour qu'effectivement cette vieille ville soit une vraie vieille ville. Euh, monsieur Salifou, vous qui représentez la direction du patrimoine, des musées, en dehors de la mosquée, dites-nous quels sont les autres sites qui vraiment méritent d'être cités qui ont, euh, qui ont été à la base de la réussite du dossier Bon, il faut d'abord juste dire que c'est l'ensemble du noyau historique qui a été euh, ah. pris en compte. on a beaucoup parlé de la mosquée. L'ensemble du noyau historique est composé de 11 quartiers. 11 quartiers. Ces 11 quartiers sont Katanga, Amdit, Obitara, amariot Fonemi, Huguberi, Omar Dan Nafalla, Omar Dan Magas, Ngolbaï et Agargaresak. Voilà donc les 11 quartiers. Tous, tous de la ville L'ensemble de ces 11 quartiers. et quand vous partez dans ces quartiers-là, vous allez voir, ils ont presque la même forme. C'est les mêmes riels, c'est les mêmes places qui existent, c'est la même forme d'architecture. C'est pourquoi on a pris l'ensemble. Maintenant, à l'intérieur de cet ensemble-là, il y a un certain nombre d'éléments, dont le sultanat, qui est donc euh, avec la mosquée qui constitue un, ensemble, un, ensemble, Il y a l'hôtel de l'Aïr et également qui était l'ancienne résidence de, Grand Guéré Caussin Il y a également le pilier, le restaurant Le Pilier pour son architecture. Il y a la maison du Cadi également parce que le Cadi joue un rôle important au niveau du sultanat. Il y a également eh, la maison du boulanger. La maison du boulanger, c'est pour son architecture parce que c'est un Sénégalais qui était venu à Agadez et qui a construit cette maison-là. Il s'est inspiré de beaucoup de traditions culturelles pour, pouvoir asseoir cette, maison-là. Il y a également la maison, eh, la, la, la mosquée Abawaji il y a la maison Harry Park où l'explorateur allemand avait séjourné et pendant 21 jours. Il y a également la mosquée sardona et il y a, la maison du le palais d'Anastafidat qui est le, chef de tribu Kalloué. Donc ça, c'est les différents éléments majeurs qui sont, voilà, qui sont la place de l'ancien marché. Ça, c'est les éléments majeurs qui sont à l'intérieur. Mais c'est les 11 quartiers qui constituent donc la vieille ville. Et c'est l'ensemble de ces 11 quartiers-là qui ont été portés, donc euh, qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial, qui fait à peu près 77 hectares. D'accord, bon, on va la parole à Bilal peut-être pour aider davantage le. Non, c'est très juste, c'est très juste. Et ce qui a, c'est que si vous prenez par exemple le plan directeur de la vieille ville d'Agadez, c'est comme ce qu'il vient de dire Ali, si vous tournez, vous êtes dans une parallèle que vous tombez par chaque maison, pour vous sortir sur l'autre voisin. Mais à l'intérieur, l'architecture est là, cachée. Parce que dans le temps, partout où vous partez, si vous trouvez un grand marabout ou quelqu'un de part de la chefferie traditionnelle, vous le trouvez dans des maisons construites en arc-en-ciel. Et même leur lit, c'est en banco à ce moment-là, qu'ils utilisent dans la grande chambre. Palpable, Par palpable. et même maintenant. Mais concrètement, qu'est-ce que le Niger ou bien la vieille ville elle-même gagne comme avantage Salif, je vous redonne la parole. Bon, comme avantage, il, y en a, il y en a plusieurs avantages. Il y a des avantages qui sont d'ordre économique, des avantages d'ordre euh, culturel et des avantages d'ordre sociaux. Les avantages d'ordre culturel, là, c'est nous avons contribué à l'enrichissement du patrimoine et de la culture universelle. Parce qu'un site qui est classé. Le monde entier d'abord. Voilà. Donc nous avons participé à cet enrichissement-là. Parce qu'aujourd'hui, à l'UNESCO, vous avez plus de 1000 sites qui sont inscrits. Des sites naturels et des sites culturels. Parce qu'il y a deux, deux, catégories de sites. Mais nous, la chance, c'est qu'Agadez, c'est le premier site culturel du Niger qui a été inscrit. Parce que je vous rappelle, il y a deux sites naturels qui sont inscrits bien avant Agadez. Il s'agit du de, de, parc du Doulebé et de la réserve du Ténéré de, l'air, la vraie Et aujourd'hui, nous avons également deux éléments du patrimoine immatériel. Également, les qui est en train de, disparaître, c'est une musique euh, touareg qui est en train de, disparaître, et la parenté à plaisanterie qui ont donc été respectivement inscrits en 2013 et en 2014. Par rapport à, la, à la VVD, donc, qui est le premier, le premier site culturel à être inscrit, c'est le premier site que nous avons dans le domaine de la culture. Maintenant, par rapport aux avantages économiques, c'est surtout les flux touristiques parce que vous avez, quand vous avez un label de l'UNESCO, les touristes vont chercher à savoir. Parce que l'UNESCO, aujourd'hui, c'est au moins 190 États qui sont à l'UNESCO. Et normalement, chaque année, on fait sortir une carte de tous les patrimoines mondiaux de l'humanité, dans chaque pays, pays par pays. Donc, et on les fait balancer sur le site Internet et dans tous les, pays, les 190 pays membres de l'UNESCO. Donc voilà, ça permet aux touristes de venir. Et maintenant, par rapport aux avantages sous sous, ça c'est la recherche. Parce que quand vous inscrivez un site, les chercheurs vont chercher à savoir, donc surtout les universitaires et les grandes écoles en matière de recherche vont chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce patrimoine-là. Et on peut donc euh, développer la recherche on peut réécrire l'histoire parce que, comme euh, Bilal l'a dit, aujourd'hui nous avons des manuscrits qui sont là, qui sont cachés avec des grands marabouts. Des grands marabouts ont écrit des, textes qui concernent la justice, qui concernent l'économie, qui concernent la, sociologie, l'anthropologie. Bilal, est-ce que euh, le monsieur Salif va parler beaucoup davantage Il y a la recherche, il y a le tourisme, le tourisme malheureusement qui n'est pas en lien avec les sécurités. <laughs> Il y a l'aspect culturel aussi qui se développe quatre ans après. Qu'est-ce que vous avez ressenti Ce que nous avons ressenti, c'est que tout ce qu'il a, dit comme aspect, c'est ce qui existait et qui cherche à être développé. En, train termes de recherche, par exemple, est-ce qu'il y a des chercheurs qui viennent Il y a des chercheurs qui sont venus et qui viennent jusqu'à présent. Même avant-hier, j'étais avec euh, un étudiant américain. Il veut voir la culture d'Agadez, typiquement agadésienne. Je lui dis que ça existe je lui l'ai amené chez, une vieille femme de violon là. Elle lui a fait un peu de, musique qu'il a écouté. Et quand je lui ai commencé à lui détailler, j'ai cherché quelqu'un pour nous interpréter. Il a dit que mais tous ces patrimoines là, comment est-ce que vous les travaillez J'ai dit bon, je vais aller vous amener au niveau de la direction de la culture. Hum. Mais il a refusé. Il a dit qu'il voulait avoir seulement des indices comme ça particulièrement avec les gens. J'ai dit non, ça, ça ne suit pas. Euh, Monsieur le maire, les avantages en termes de recherche, en termes de tourisme, de la ville euh, d'Agadez euh, En ce qui concerne les recherches, tout dernièrement, au niveau de la commune urbaine d'Agadez, comme vous le savez, l'université d'Agadez vient d'ouvrir il y a deux ans de cela, puisque le recteur nous l'a dit. Ils sont intéressés aux différentes recherches qui doivent se faire au niveau de, la, de, de ces sites. Donc, est ce que nous avions l'université, nous avions un avantage énorme. C'est celui d'utiliser cette université-là, cette université pour pouvoir enrichir ce patrimoine et le développer. Donc, euh, euh, les recherches vont se faire et nous sommes prêts à accueillir euh, tout celui qui veut nous apporter ses connaissances par rapport à ce patrimoine. Voilà au niveau de la mairie ce que nous sommes en train de faire. On va donner la parole à Soumaïda. Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être aux élèves euh, en tant que club Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de ces avantages dans le cadre de votre euh, association, Club UNESCO La dernière fois, j'étais à une rencontre à Niamey de la Fédération des associations et clubs UNESCO. Donc euh, de là-bas, on a parlé du, club UNESCO d'Agadez, aussi de la vieille ville. Et on, est en train de, de, voir dans quelle mesure on va faire venir ces différents Club et associations ici à Agadez parce qu'on dit qu'il faut qu'on ait des, projets de, de, chantier ici à Agadez. Vraiment, on est sur le dossier au niveau du club UNESCO d'Agadez. Et aussi, c'est des avantages. Ça va permettre aussi la naissance, si je peux le dire, de plusieurs clubs UNESCO. Parce que si vous prenez ici Agadez, il y a seulement le club civil comme notre club UNESCO. Il n'y a pas de club euh, des, des, scolaires, il n'y a pas de club d'université, parce que l'université vient d'ouvrir. Donc nous sommes en train de faire des démarches pour que les gens puissent s'adhérer, pour que au moins au niveau des écoles, on puisse ouvrir des, des, clubs UNESCO. Et je pense qu'avec s'il y a vous avez commencé à faire. Euh, on est dans la démarche parce que lorsque j'étais à la rencontre à Niamey en décembre, à la restitution, on a, invité des, des élèves donc on a dit d'aller de, de, de, se revoir lorsqu'ils sont prêts, de venir, nous on est prêts pour les accompagner vraiment à ouvrir des clubs UNESCO au niveau des, établissements. Je pense que y on a ces clubs d'UNESCO, ça va euh, rentrer dans ce cadre-là pour que la vieille ville puisse, pour qu'on puisse apporter aussi notre pierre à l'édifice. À Agadez, les élèves connaissent ce que la vieille ville bon, Ça fait partie aussi du plan, euh, de notre plan d'action de notre club UNESCO pour amener les élèves à connaître la, la, vieille ville. Okay. Eh, vous, voulez ajouter quelque chose oui, c'est par, rapport à la recherche. Parce qu'il y a au moins quatre étudiants qui ont donc euh, fait leur rapport de stage au niveau de la vieille ville d'Agadir. Donc, ça veut dire que dans le domaine de la recherche, il y, a, il y a, au moins des gens qui commencent à le faire. Et je pense que dans l'avenir, peut-être les universités, même internationales, vont venir. Et toujours par rapport aux avantages aussi, quand un site est inscrit, il y a aussi les avantages d'avoir des projets. il faut savoir ficeler ces projets. On verra, on verra c'est les autres avantages de façon plus concrète. Voilà. alors, c'est là, en tout cas, le fait que la vieille ville soit inscrite au patrimoine, ça a beaucoup d'avantages, vous l'avez tous retracé. Et euh, la vieille ville, c'est on l'a dit tout de suite, c'est onze quartiers à qui on a raconté euh, qu'ils auront beaucoup de choses. Mais plus de trois ans après, en tout cas, rien de concret au bénéfice de ce quartier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent Mohamed Dodo Bahari, chef de quartier Amarewet, et Malam Ahoumat Mouktari, chef de quartier en au micro de notre reporter Mousse Maman. Eh, nous sommes 11 quartiers dans la vieille ville. Toujours, on nous parle qu'on va nous faire quelque chose, mais l'année passée, on a choisi 5 maisons par quartier pour rénover avec de l'argile. En dehors de ça, rien n'a été fait, sauf venir parler. À chaque moment, on nous dit qu'on va nous aider, mais rien. Les belles paroles n'avancent jamais. Les gens en parlent beaucoup et pensent qu'on nous a fait quelque chose et qu'on en garde pour nous. Mais nous aussi, on veut savoir la vérité. Quel bénéfice la population a dans le cadre de l'inscription de la ville d'Agadez au patrimoine de l'UNESCO Est-ce que les citoyens d'Agadez gagnent de ça ou pas Le fait de dire que dans le monde entier, notre ville est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. On nous dit que la population sera aidée dans le cadre de l'inscription de la vieille ville. On a des anciens endroits, des vieilles mosquées. Donc, le monde peut nous croire. Ces choses sont historiques. On doit les préserver. Mais la population a un regard sur les autorités et on rappelle aux autorités à nos noms des représentants de la population, chaque jour, les gens cherchent des renseignements auprès de nous. Mais on les rassure. On veut que les autorités sortent nous parler clairement. On nous a fait trois forces et certaines rénovations d'argile qui d'ailleurs sont gâtées avant de finir. Maintenant, c'est ce qu'on nous a fait dans notre quartier. Pourtant, elle fait partie de la vieille ville. Il y a même la résidence du chef Anastafidan dans mon quartier, des anciennes maisons et une autre mosquée historique. Nous, nos besoins, c'est l'aide dont on nous a promis. Il y a beaucoup de pauvres, car il y a beaucoup de pauvres dans mon quartier. Il y a des endroits qui ont besoin d'être rénovés, car il y a même des maisons qui ont dépassé 500 ans dans les quartiers des chefs de quartier de la vieille ville, des quartiers qui sont retenus dans le cadre du patrimoine, dans le cadre de Agres vieille ville, patrimoine euh, culturel de l'UNESCO. Euh, Monsieur Salifou, vous allez d'abord répondre à cette interpellation. C'est une interpellation, en tout cas c'est un constat au niveau des quartiers. Ils disent qu'ils n'ont rien eu jusqu'à présent, si ce n'est que quelques décors. C'est cela la réalité Bon, moi, ce n'est pas pour leur répondre. Ils, ont raison de, donner leur avis comme ça. C'est ça la vie. quand vous travaille avec des, personnes humaines, c'est normal qu'il y ait des gens et, des, points de, des, points de vue divergents. Je pense qu'ils disent que rien n'a été fait, je pense que quelque chose a été fait, mais peut-être c'est insuffisant. Hmm, peut-être c'est insuffisant. Mais juste une question avant de parler de, oui. autour de cette insuffisance. Qu'est-ce que, en dehors de ces avantages que vous avez retracés tout de suite, l'UNESCO a pu donner Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est d'autres moyens qu'on vous donne parce que vous avez bon, été... vous savez, c'est important D'abord, ce que je, vais attirer l'attention déjà, nous sommes trop précis. En trois années, on ne peut pas tout de suite avoir les retombées parce qu'il y a déjà il y des pays qui ont fait 30 ans, 40 ans sur la liste du patrimoine mondial. C'est après avoir fait 20 ans, 15 ans qu'ils ont commencé à avoir les retombées. Parce qu'on vous inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il y a des prescriptions il y a des choses, on vous dit, il ne faut pas faire ça. Comme quoi, vous voyez, on, vous observe. Par exemple, à Agadez, le premier truc, c'est on dit tout doit être en bon coup. Vous, vous venez vous casser, vous, mettez du ciment ou vous, changez la forme même de la maison. Hmm. Mais aujourd'hui, nous sommes. quelque une destruction. Vous voyez, mais, le développement technologique, aujourd'hui, la technologie, elle est tellement développée. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce qu'ils font de mal, ce n'est pas connu dans le monde. Donc, d'abord, on est pressé. Deuxièmement, on ne fait pas ce que parfois on ne fait pas ce qu'on nous demande. Mais malgré ça, il y a eu des actions qui ont été menées. Il y a le PNUD qui a intervenu dans le cadre de l'assainissement. Il a mm. fait des fausses pour commencer Deuxièmement, aujourd'hui, le PNUD. Oui, le PNUD, il y a la grande mosquée qui a été réhabilitée d'abord par la mairie. par, la mairie. Et ensuite, dans le cadre de aujourd'hui, quand vous partez, vous allez voir que des travaux ont été menés. Le sultanat, avant même Sokouni, le sultan a, a négocié des financements qu'il a eu il a rénové complètement le, sultanat. Mais des choses ont été faites, mais c'est insuffisant. Est-ce que l'UNESCO, vous avez eu quelque Non, non, pas l'UNESCO. C'est-à-dire, Moi, je pense qu'il notre patrimoine. Moi, je pense, moi, je suis pas d'accord avec ces gens qui pensent que c'est quelqu'un qui doit nous faire quelque chose. Notre patrimoine culturel, c'est nous qui avons notre patrimoine culturel. C'est-à-dire nous devrons avoir un sens et un respect pour notre patrimoine culturel. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui pour n'attendre que c'est l'Union européenne, c'est la France, c'est l'UNESCO. Les Niger, nous d'abord nous devons faire des efforts pour protéger. Parce que comme l'a dit, dit, Bilal, ça fait 600 ans que les grands-parents ont construit ce truc-là. Il n'y avait pas l'UNESCO. Donc il faut préserver ça. Donc c'est la population d'abord doit faire des efforts. et maintenant ces efforts-là vont être renforcés par l'appui des uns et des autres. Et nous sommes en train d'avoir des retombées. Parce qu'actuellement, en dehors du PNED qui a fait des, des, des actions, en dehors de Agadon Sokoni qui a fait des, des, actions, il y a les des, il y a le professeur. ça, c'est les perspectives, on, on en parlera. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a, il y a au moins trois, trois, trois monuments qui ont été vous, vous, avez assez non, non, détaillé. Non, nous allons revenir. vous, vous aurez la parole. Il faut dise Je vais, on va donner la parole à voilà. Bilal. Bilal Kamil, qui, est avec les chefs, qui est avec ah, euh, les chefs de Laisse Bilal. Vous avez écouté les chefs de Il y a une grosse erreur qui provient de nous-mêmes. Ce qui manque, ça c'est ma façon de dire. Et ça c'est ma proposition. Vous voyez, les gens ne, diront jamais que vous avez fait quelque chose. Parce qu'au moment où on demandait, au moment où le sultan a pris sa décision, soi-disant qu'il veut que l'UNESCO fasse quelque chose de sa ville, nous, sommes, nous étions tous volontaires. Tous. Nous sommes tous d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que c'est lui le sultan. Et c'est sa ville. Mais c'est qu'ici, au niveau de l'UNESCO, parce que nous, on a, commencé ça avec nous. Hmm. Vous, étiez, dans le projet, vous étiez dans le projet. mais après, ça a commencé à faire, des, je ne sais pas, des, tournages inverses. Comment ça Par rapport à ceux qui ont commencé à structurer le dossier, le dossier à la fin, ce n'était plus eux. Ils participent à toute action. Toute la population d'Agrézin. Oui, mais est-ce qu'on leur a dit qu'ils vont avoir Justement, c'est de là que je vais en venir. Ce qui est bon, quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, et pour lui montrer que c'est à lui de faire ça, on le forme, on lui donne un jeu à jouer. Et que ici, c'est un peu difficile parce que les, chefs des quartiers aussi, il y a des populations, il y a des, pauvres du quartier qui ne peuvent pas imposer à leur de faire ça parce que ce n'est pas bon. Donc je crois que nous avons une grande tâche de mobilisation et de sensibilisation au niveau de notre. Il y a eu, un de communication, vous voulez dire oui, parce que le responsable des quartiers, euh, l'UNESCO a tenu des réunions là, avec la mairie dans tous les quartiers d'Agadez. S'ils avaient compris de quoi il s'agit, ça n'allait pas se jouer comme ça. C'est les expliquer au fait, voilà le devoir et vous, qu'est-ce que vous, devez donner. C'est ça le problème de, la, de, la population. Parce que moi, je connais la population et je suis d'Agadez. Le problème que vous voyez, c'est la population. Il ne suffit que d'intégrer ceux qui sont directement concernés, qui ont l'histoire. Là, sur le sultanat, c'est une obligation. C'est une obligation, le sultanat. Parce que c'est la notabilité là-bas et tous les acteurs là sont là-bas. On va permettre à monsieur le maire d'apprécier les commentaires que les, chefs de euh, quartier ont fait sur euh, Agadez, vieille ville de l'UNESCO. Comme l'a dit Ali, sont libres de Est-ce qu'ils ont raison de dire ce qu'ils ont dit Bon, moi je ne pense pas qu'ils ont totalement raison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il faut le reconnaître, c'est ça la sagesse. C'est-à-dire quand vous prenez euh, les latrines que nous avions fait dans les maisons, c'est pour protéger toujours ces constructions en banco. On a aidé beaucoup qui n'en ont pas et qui au fait font leur défécation à l'air libre et qui utilisent l'eau comme ils veulent. Aujourd'hui, on a construit plus d'une cinquantaine de fosses aux gens pour qu'ils permettent d'évacuer les eaux usées. Ça, c'est aussi pour protéger. Il y a eu la rénovation de la mosquée à baogé la rénovation du sultanat, la rénovation de la grande mosquée. Certaines eh, eh, eh, maisons ont été repris euh, reprises. Du gars était là pendant ce socni-là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais les gens, au fait, il faut qu'on vienne leur dire c'est UNESCO. Alors qu'UNESCO UNESCO ne fait pas de projets, ne donne pas de l'argent. Inesco, vous faites vos projets à des structures où il faut passer et ces structures envoient et cherchent des partenaires qui vont vous appuyer. Moi, je dirais que ce, ce patrimoine, c'est d'abord nos parents qui l'ont construit. C'est notre histoire. Et quand ils l'ont construit, ils n'ont jamais pensé que ça serait reconnu et ça serait gardé comme euh, euh, notre culture, notre reconnaissance. D'abord, on peut nous reconnaître à partir de ça. Aujourd'hui, dès qu'on voit la, mosquée d'Agadez, on sait que c'est Agadez, on peut nous identifier, c'est facile à le faire. Il faut les remercier d'abord ses parents, ses aïeux qui ont eu à faire ça. Mais il faudrait dire que moi, la première chose qu'on nous a faite, c'est d'abord d'être reconnu au niveau mondial. C'est essentiel. ça, c'est la, plus belle chose que nous avions reçue. Monsieur Soumela, est-ce que si aujourd'hui on vous dit, quatre ans après, qu'est-ce que on a cité des avantages Vous avez dû suivre les, chefs du quartier qui n'ont pas été assez tendres, hein, il faut le dire. <laughs> Est-ce que vous avez le même, euh, la même appréciation Bon, moi je pense que euh, les chefs de quartier, ils ont réagi comme ça parce que y a, les gens ne connaissent vraiment pas c'est quoi l'UNESCO. Comme monsieur le maire l'a dit, l'UNESCO c'est pas qu'il vient donner de, l'argent. Parce que l'UNESCO, si vous le prenez dans les idées même de l'UNESCO, vraiment il y a le volontariat qui prend beaucoup. Donc ces chefs de quartier là, c'est des gens qui sont un peu pressés. Donc moi je pense qu'il faut être fier, comme monsieur le maire l'a dit, Vraiment, le fait d'être reconnu déjà, c'est déjà quelque chose. Vraiment. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a le problème de, comme euh, le représentant du sultan l'a dit, c'est la communication. Parce que même ici, au niveau du club UNESCO, nous, ça fait partie des plans d'action. On a dit que nous, on va réaliser vraiment des spots radiophoniques pour expliquer réellement au, niveau des, c'est quoi même le, la vieille ville, le, le fait d'être inscrit au niveau du patrimoine mondial, comment conserver tout ça là on a dit, nous, on va essayer de, mener ce genre d'action pour amener les gens à bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, ne comprennent pas l'enjeu. Problème de communication, M. Salif, c'est ça Vous reconnaissez ça quand même Non, je ne reconnais pas ça. vous, avez... aurez dit d'abord nous demander quelles sont les actions qui ont été menées avant ah, même de. Ça, c'est des appréciations des chefs de c'est pas moi qui les dis. je, suis d'accord. On a parlé des avantages. et puis maintenant, s'il y a des actions, des actions ont été citées. Vous savez, la hein. communication, on en a fait. Tous les problèmes, il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Nous sommes des Nigériens, on se connaît. C'est-à-dire, les problèmes de la population, c'est quoi Un dossier, quelqu'un monte un dossier, par exemple. Par exemple, pour les, les, fausses qui ont été faites, c'est la mairie qui a monté le dossier. Mais qu'est-ce que les gens veulent, eux La mairie a monté le dossier, le financement est acquis, on prend, la mairie doit prendre l'argent et leur donner ça. C'est ça, le problème des gens. Ce n'est pas un problème de communication. La mairie a monté son dossier, elle a eu le financement, mais au lieu que la mairie mette en œuvre le dossier qu'elle a élaboré, qu'elle a conçu, non, non, les gens veulent que cet argent-là, la mairie prend et leur donne. Et maintenant, si eh, ils, vont faire vont mener les actions, et encore c'est à la mairie. C'est le cas de ceux qui ont intervenu Non, non, c'est d'une manière générale quoi. Parce que ça fait, moi je connais Agadez, ça fait, ça fait 10 ans que je connais Agadez. Je, dossier, je l'ai suivi depuis son, livre jusqu'à aujourd'hui. Je connais le comportement de tout un chat Toute la problématique se trouve que non, non. On a eu de l'argent pour les gens. Tout l'argent qui vient, personne n'a le droit de le gérer ça si c'est pas eux. Alors qu'un dossier, si moi, si aujourd'hui vous, en tant que Radio Kalango, vous montez un dossier en tant que Nigérien, mais vous pouvez monter un dossier à Niamey sur Agadez, mais quand vous voulez à Agadez, les gens veulent que ces argent-là, vous les prenez, vous leur donnez ça et vous, vous mettez de côté. Quand ils vont finir les travaux, maintenant vous, vous allez faire la justification et vous allez faire le rapport pour dire que voilà, les travaux. C'est ça les problèmes, c'est pas autre chose. C'est la communication. Alors, citez-nous quelques actions non, concrètes. pas la communication avec le maire avec le représentant du septembre. Comme lui, le vieux, c'est pas lui qu'on, il, il, il, est ancien, on l'amène pas, mais il y a des représentants du septembre. On a mené au moins, dans chaque quartier au moins, on a tenu cinq réunions, dans chaque quartier au moins. Et tout ça, voilà, c'est quoi la population? le, dossier, a été monté avec la population. Tout le monde connaît c'est quoi le dossier. Le règlement d'urbanisme, le règlement qui dit il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ça, c'est la population qui a conçu ça, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est venu derrière ou la mairie, non, non. C'est avec la population on a conçu le règlement d'urbanisme on les a tous expliqués. Voilà, on a pris phrase par phrase le dossier pour expliquer aux gens, voilà les avantages, voilà les inconvénients, voilà les, prescriptions, voilà ce que vous devriez faire. Mais tous les problèmes, je vous dis, c'est un problème d'argent. Parce que les gens ont pensé que quand je vous prends moi mon service, il y a des gens qui pensent que moi je suis un projet Dès qu'on dit l'UNESCO, c'est des, milliards qui sont versés sur moi. On va entamer la, troisième partie de, notre forum qui est vraiment l'engagement des uns et des autres pour euh, promouvoir ces sites que vous avez cités et vraiment faire en sorte que la vieille ville soit toujours vieille ville. Monsieur le maire, c'est vous qui allez commencer C'est-à-dire, euh, nous, nous n'allons pas nous décourager de continuer à sensibiliser. Vous, êtes satisfait de ce tout ce qui a été fait. ce que je propose, c'est-à-dire, euh, j'ai eu la chance d'aller visiter la Médina de Tunis il n'y a pas longtemps, et j'ai vu qu'on peut faire d'autres propositions et d'autres projets qui peuvent amener nos gens à comprendre comment adhérer, comment gérer la vieille ville et quels sont les bénéfices. Donc, un, de deux, il nous faut monter ce dossier et faire un plaidoyer pour trouver ces financements-là. De deux, la gestion même du site historique revient à la commune et au sultanat. Ça, c'est une obligation. Et nous, quand on trouve des projets, quand vous, vous, avez un financement, vous avez l'obligation de résultats et la présentation des rapports. Et les gens pensent que euh, euh, on va nous donner de l'argent et qu'on dépense comme ça. Non, personne ne nous donne de l'argent. Mais, mais il y a des propositions qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour faire évoluer les choses. Et ces propositions, c'est quoi Les acteurs, l'ensemble. Déjà, on a mis un comité en place qui est là et qui travaille avec nous au niveau de la ce, comité est composé des gens de tous les 11 quartiers, c'est-à-dire des, élus de 11 quartiers. Et ensuite, il y a aussi ceux qui sont dans ces quartiers comme chefs de quartier, etc., et qui travaillent avec nous. Il faut mener encore une autre réflexion, c'est à amener tous les intellectuels qui sont dans cette vieille ville à réfléchir avec nous pour trouver les voies et moyens de proposer des projets qui seront amenés à ce que tout celui qui a une maison ou qui a... Euh, euh, euh, qui vit dans cette vieille ville puisse profiter peut-être d'un atelier d'artisanat, d'un atelier de formation, d'une boutique, etc. etc. Tout ça, là, il faudrait que les citoyens qui vivent dans ces quartiers puissent profiter pleinement de ce patrimoine. Certes, les gens sont ce qu'ils sont. Et nous allons continuer à sensibiliser et nous allons continuer à chercher des projets et nous pensons que des choses vont s'améliorer d'ici peu. Vous avez beaucoup espoir euh, oui, Comment euh, conserver moi, j'ai... elle, est bien conservée, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que, que ça soit au niveau de l'administration, que ça soit au niveau de politique, que ça soit au niveau des citoyens. Vous connaissez, Ali vient de dire aujourd'hui qu'il, qu'il connaît Agadez plus de 10 ans. Donc il doit normalement connaître les mentalités de cette population. Elle vit comment et elle est comment. Monsieur le maire vient de dire qu'il y a un comité. Moi-même, je fais partie d'un comité là-dedans. Mais je n'ai jamais été convoqué ici à Agadez. Je suis à Agadez pourtant. un membre Jamais en tant que membre. Avec mon arrêté, je peux le prendre maintenant. Si le maire me dit de l'amener ça demain, je vais l'amener. Je ne sais pas, je suis parti Où la nature. le problème se situe que cette population-là, elle ne cherche rien qu'un approche. Alors réellement, approchez les gens, approchez la population de vous et encore, il y a un langage. Des fois, souvent, quand on va réunir les gens, politiquement, on leur dit que ce qui va revenir là va revenir à vous. C'est votre intérêt. Bon, celui qui, qui, ne, qui, ne, lit pas, qui n'écrit pas, qui est là fermé, il ne sait rien faire, pour lui, il attend à ce que se retomber là dès qu'il attend qu'il est venu, il attend sa part. les mots qui sont mal utilisés. Voilà, exactement. Et ça là, c'est très facile de rapprocher. Associer tout le monde. Associer tous ceux qui sont capables en tant que citoyens de la ville ou autochtones de la ville ou techniciens qui il y a une farouche, euh, un, euh, euh, un, savoir farouche pour qu'il amène sa participation. Il suffit de parler c'est que les gens comprennent très mal les langages qu'on leur donne. Merci pour ce voilà. Soumena, qu'est-ce qu'il faut pour préserver, euh, pour que la vieille ville soit vieille ville et qu'elle ait vraiment un avenir Qu'est-ce qu'il faut en direction des acteurs qui l'animent et en direction des populations rapidement Moi, je pense qu'il faut que cette population-là puisse s'engager puisque la population puisse comprendre que vrai, effectivement c'est pour elle, qu'il ne faut pas que les gens attendent quelque chose de, de, quelqu'un. C'est pour nous-mêmes, c'est pour la population, cette vieille ville-là. Donc euh, vraiment nous au niveau du, du, du club UNESCO, donc nous euh, les actions que nous comptons mener. Vous êtes volontaire, est-ce que vous êtes associé dans certaines démarches Donc nous, euh, moi je pense que ne faut pas qu'on nous dans, dans nos demandes, on ne sait pas, on va attendre à ce qu'on nous appelle. Que vraiment nous-mêmes nous allons partir même vraiment pour essayer de, voir ce que nous, pouvons faire. dans des perspectives, donc, nous allons dire on va faire des camps de, chantier pour voir au niveau de la vieille ville là où on peut amener notre pierre lorsqu'il y a des, des, des, choses à faire que nous pouvons faire. pour les élèves, pour les élèves, pour que la vieille Voilà, donc c'est quelque chose à préserver. Dans nos actions que nous, on va essayer de, faire des trucs pour amener des élèves à comprendre même, à connaître la vieille ville et, comment faire pour la sauvegarde de, cette vieille ville-là. Ça fait, ça fait partie vraiment un programme ambitieux. La parole à Monsieur le Directeur pour conclure la promotion des sites. Et la première des choses que nous on, a proposé, c'est il faut renouveler ce comité de gestion de la, de la vieille ville. Et en, comme l'a dit Bilal, quand on renouvelle on va mettre des gens qui ont la volonté de travailler. De façon volontaire. Renouvellement du comité. On va identifier au niveau du sultanat, on va identifier qui veulent travailler. au niveau de la mairie, on va identifier. Et on va identifier telles que ces associations qui se donnent volontaires pour les mettre dans le comité pour qu'on puisse travailler avec un comité peut-être restreint. Deuxième chose, nous avons dit que maintenant, comme les gens pensent que on ne les implique pas, même si on les implique, ils refusent de dire qu'on les implique. Quand il y a des, dossiers qui vont venir, quand des ONG vont venir, ou des associations, ou un bailleur de fonds, mais on va réunir tout. Actuellement, il n'y a, a pas un mois, il y avait une ONG qui était venue, qui voulait intervenir. On est parti, j'ai vu le maire. Avec le maire, on avait appelé les gens. On était parti voir le sultan avec la population. On les a dit voilà quelqu'un qui veut intervenir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui Voilà, lui, il va vous dire qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il va faire une deuxième phase. On va continuer la même chose. Si c'est la mairie ou la cellule qui fait des problèmes, mais on peut les mettre devant les faits Merci pour ça. ce que nous, nous aussi, c'est de demander davantage. Les médias font beaucoup pour nous mais nous demandons aussi de continuer. D'accord. Vous à sensibiliser, communiquer, à parler de la Rapidement. Euh, euh, ce processus qui a duré sur 10 ans a, connu 5 maires. Donc il y a eu plusieurs propositions de, comités, ce qui fait que souvent certains ne se retrouvent pas. Euh, comme l'a dit, excusez-moi, comme, oui, il y a le comité d'organisation de la fête, il y a un autre comité après. Donc il y a tous ces comités-là qui ont été mis en place par les différents maires et qui font certains ne se retrouvent pas, c'est vrai. Il y aura d'abord la refondation de ce comité-là pour pouvoir mettre des gens qui doivent être, n'est-ce pas, euh, centrés sur la vieille ville et centré aussi sur les sites pour voir quel va devenir ces sites d'ici 10 ans, 20 ans, etc. Tout ça là, nous allons essayer de le faire avec la population. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons sans impliquer, sans faire de réunion. Moi, Amir Koussa, adjoint tous ceux qui sont là savent que je les ai invités à plusieurs réunions s'il s'agit d'un projet qui concerne la vie ville. Je n'ai jamais fait une activité seule. Donc nous allons essayer de continuer. Mmh. Nous allons essayer de mettre en place des propositions de sensibilisation. Ça, nous allons voir avec. Et aujourd'hui, nous avions encore une chance qu'il y a des projets qui veulent intervenir dans la ville. Nous avons le CSP qui veut intervenir, nous avions les GIZ, etc., qui veulent intervenir. Tout ça, là, nous allons voir ensemble avec la population qu'est-ce qu'on doit proposer. Il faut qu'on propose des choses durables. Si nous avions le retour du tourisme, les gens vont vouloir acheter au sein de la vieille ville. Donc, il nous faut acquérir ces touristes là et il faut s'y préparer en conséquence. Mettre l'accent sur l'approche, sur la sensibilisation des populations pour que tout le monde comprenne que la vieille ville, c'est la la vieille ville de tout le monde. Merci à vous pour votre participation.